formé pour metti comme moom <laughs> kon nag rectifié nga voilà <laughs> PTP donc est-ce que yéen pare ngeen pour rejoindre ñi xamante ne ñoom ñooy Diomaye si toutefois euh, ñu ñu ñu ñu faire appel à vous euh, pour euh, ngeen liggéey li xam nga loolu dama ci du ma ci bëgg a dugg mm-hmm. parce que nu Euh, ce qu'on appelle la discipline des partis. Mhm. légui attendons mettre la euh, de faire sa sortie. Mhm. Sénégal c'est l'homme le plus attendu du Sénégal même les proches de Sonko y le de Sonko qui m'appelle pour demander mais mais mettre elle a parce que ñun dañ koy nam mom ñom nee mom lañuy waxtané mm. heure buñ togué mm-hmm. fuñ toog même hôtel ak mettre metti El Hadj Diouf dañuy waxtané mm-hmm. parce que elle a c'est elle a Diouf de tous les Sénégalais loo ko contre contre xamé ni mom c'est un avocat qui fait son boulot mm-hmm. yalla moko ko non non non la mel mais amul lenn lu ne ci xolam pour contre kenn parce que li muy gagné du Macky Sall amul musta am ben poste de nomination. bu ko Macky jox qu'est-ce qu'il gagne de Macky Sall. rien du tout mhm. donc le problème qui se pose ñi perte kay moy ñi joxone poste de responsabilité ken a pour défendre le président. mais bien El a rek défendre le président Macky Sall perte nañ te man moma a wax ni on a perdu les élections à Kaolack à h huit heures et quelques mu eh, ba koy non élection est déjà. mais Maître à comment est-ce que le recevoir et l'information selon laquelle Bassirou Diomaye est sorti premier avec plus de 54% vu que new euh, dañu de ni opposé de façon radicale. ak le le Pastef voilà mm-hmm. justement. mais xam nga vu la situation doo demee yow def politique. Mm-hmm. surtout nga nek dans un parti comme la Benno Bokk dans une coalition nga dem ba ci yàgg à quelque même une semaine des élections kenn waxula la dara pour que nga battre campagne mm. nga toog pour les fonds de campagne kenn joxu 100 francs mais en tant que benn la mais watul nga xam ni y a quelque chose mm-hmm. cela veut dire que amul benn liggéey buñ liggéey pour gagner dara mm. est-ce que bëggoon nañoo gagner doo demee même mettre la Hadj on sax battre la campagne nga on a on a gagné euh, on attend que la défaite. c'est pourquoi à 19 h presque le moment wax ni ma boy bi remporté élection yi. non non il va gagner cela veut dire ay Omar mais libérer Omar il faut eh, non non non non na wax et puis la jusqu'à présent jusqu'à euh, mm. présent le

arrêté mm-hmm. et puis avec la convocation de Adama Fall aussi ko commencer commencé di commencé. non ça n'a rien à voir l'état. parce que monsieur Fall ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir l'état mais est-ce que di di di non non <laughs> ah parce que ci ñoom la. loolu jël nañ pouvoir bi demul leen liggéey ngeen naan da ngeen di porter plainte. Adama joxal ku nekk temps de parole ñu déglu wante